Bon, je pense que a priori, ça se passe très bien. Les gens votent euh, dans la discipline et vraiment, je ne vois pas d'inconvénient, je ne vois pas de problème. Donc tout est en règle et euh, voilà, le, vote se déroule normalement pour l'instant. Ah ouais, pour moi, c'est un challenge parce qu'en fait, je suis la seule femme et pour moi, c'est un défi à relever. Parce que c'est pour la première fois qu'une femme, en tout cas, se présente au niveau de la commune de djepel derclé Et vraiment, c'est un honneur et un privilège, non seulement pour moi, mais pour l'ensemble des femmes et des jeunes, et tout le monde en tout cas, toute la population de djepel derclé Castor. Je suis confiante, je pense que je vais, je, vais, je, vais, euh, je, vais gagner sans problème. Vraiment, je suis un peu émotive, mais je pense que vraiment, euh, non, non, ça va très bien se passer, Inch'Allah. Absolument. Ici, quand même, euh, nous sommes une commune disciplinée. Donc, euh, en général, il n'y a pas de problème. Les gens votent normalement dans la quiétude, dans la sérénité. Et vraiment, et que le meilleur gagne. Je pense que c'est ça, quoi. Voilà. ci solo rek tey content, ci tey jii ma participer euh, réunion bu am solo bi réunion rencontre la sax donc vote la tey donc am na solo torop ci ñun donc ñu ci ñu ci sante yalla di ci julli ci yonent bi di ñaan mm. yalla ka affaire bi moom mu déroulé dans de très bonnes conditions. gëna lolu tamit euh, madame Dieng mom moy candidate bi nga xamné bi mom rek mo fi jigen bolé lu mot juro ñetti goor xawma ma ñeent tey jii maanaam lan lay firndeel ci madame Dieng. wa sante yalla rek di xamné jigen yi aujourd'hui am nañu seen place ci ci ci ci ci kii bi naka la tuddati voilà c'est ça donc euh, aujourd'hui en tout cas nous dem voter comme ça au moins nous devons relever le défi changer un petit peu parce que nous amna ci solo voilà il faut que en tout cas je suis la candidate du changement dama ñeu pour changer pour apporter sa contribution que nous xamné gérer autrement et que les femmes aussi vraiment nous nañu la ak fayda ci li ah wi ah maa ngi sant yàlla de xam naa ne en tout cas man dinaa dinaa gañe daal loolu man wóor na ma dinaa gañe bu soobee yàlla ak yonent ba dinaa gañe euh, euh, ban jàngat nga ci def en tant que femme candidate fii nga xam ne fii amul benn problème lépp a ngi dem normalement comme ni ko waxee. non fii moom wax dëgg yàlla yëf yaa ngi déroulé normalement man dal en tout cas gisuma ci ben problème important nit ñi am discipline nañu xam nañ li ñuy bëgg de toute façon kenn mënu leen influencer dañuy ñëw voter correctement ñibbi seen di kër tok di xaar résultat yi et je pense que lool rek mo am solo ñu bàyyi ay invective ak yoyu parce que ñu fi pour ñun que le meilleur gagne rek lay wax. mais dafa melni message yi ngeen doon lancé ci campagne bi lool tamit bokk na ci. wa absolument parce que ñun commencé woon nañu suñu pré campagne ak suñu campagne déjà di sensibiliser nit ñi di leen wax ne vote bi euh, élection yi du ay xeex du ay xulo ay programme la.